législative TV ak li nga xam nekk mu di tolluwaay wi euh, mu nek benn xibaar bo xam itam euh, dab nañu donc ce 17 octobre euh, benn réunion tenue nek ko foofu ko conseil national de régulation de l'audiovisuel di li nga xam nekk Sénéra la radio division télévision sénégalaise li nga xam nekk mu ak les représentants euh, des 41 listes ni ngi fi woon daal li ñuy daal di jaarale fa saan télévision nationale pour daal di amal sen temps de campagne mu nek tirage au sort bi nga xam ni itam déterminé. Euh, lors du passage des candidats à RTS de télévision nationale les candidats ni la fa euh, que dit tout ki nga xam coalition farlu euh, que sa toftalu coalition de sa qui est ki les nationalistes de l'Union. moment, RV coalition Manko liggéeyal Sénégal alliance nationale pour la patrie secteur privé union natal Kaugi, coalition des Teranga coalition action parti euh, Boss du parti euh, alliance Jeff Jël ci Sénégal euh, union citoyenne buntu union nationale pour l'intégration le travail et et, l'équité coalition Khalion, coalition Djam ak coalition Dounou, union des groupes patriotiques Pastef euh, coalition euh, Goryubes, coalition euh, fédération du renouveau marché des territoires ànd coalition pôle alternative Kirai, ak 37e voie coalition Sam Sakadou, Anne Dolel grand rassemblement des artisans du Sénégal Anne Sikolouté Nir Sénégal Anne Soukeli, production transport et commerce l'ampoufale du Waitam à coalition euh, Sénégal Kassé, coalition euh, Samu, Gafaga Samu, ak de Axif di Aksif euh, Ligue parti ensemble pour le Sénégal parti Garap-Adès, coalition anne bessal Sénégal al Alsar Taku wallou Sénégal coalition Nafor Sénégal coalition républicaine samsung Reu jotal kàddu coalition Waref, coalition Sopi Sénégal donc on a mooy les 41 listes qui nga itam exactement euh, l'ordre de passage Forcément, nous RTS ginnaaw tirage au sort ni ki li nga xam euh, jeudi yamok 24 euh, octobre c'est ici studio RT. RTS checklist nag euh, dina am ñetti minutes ay temps d'antenne manam ñetti simili cassé nga daal di wax si IDC programme fi nga xam ni itam bëgg na fa daal di jëmale réew mi électeurs yi daal si war a mën a ànd ak yow exactement alors Serigne. Mhm. Euh, lors de l'ordre de passage bi tey déterminé nañ ko saanu RTS mais il y a beaucoup de coalitions hein, ak parti politiques yi nga xam ni itam ñi ngi def moo tax du def ko 3 minutes pour chaque candidat. ah mais c'est tout à fait normal sinon bu ñu ko jëlee comme. Euh, na mu daan demee bon ça risque de créer des des des des des circonstances yu nga xamante ni euh, véritablement lu ñu bëgg mën nañ ko bañ a am donc on hmm. euh, de toute façon ce qui est à saluer moi di euh, le processus. parce que hmm. depuis boobu léegi dégloo hmm. donc là à partir de là on, on salue le travail du ministre de l'intérieur. Hein, vraiment qui a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a fait un travail de titan, un travail euh, vraiment gigantesque par rapport au processus électoral. Parce que qu'on n'a pas senti quelque part où le processus a été biaisé. Et que lolo dafa mës a nekk un problème une mm. problématique mm. ci organisation élection fii Sénégal kon nag jàpp naa ni jusque là mm, euh, mbir yi jaar na yoon jaar na nu mu war a jaare attendons de voir et euh, nous allons écouter aussi l'ensemble des, des, des, candidats qui nga xam porter soit des coalitions ou bien même des demal seen mm. pour écouter le, le contenu de leur discours pour Ham. euh, effectivement lan lan moo di euh, mm. la nga xamante ni sabab ñu bëgg nationale c'est mm. ce qui est important pour mm. moi alors donc mi exactement ce qui est important ma ni